Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Vous nous écoutez en direct de la COP22. Nous vous proposons en effet de faire le point sur 15 jours de négociations sur l'avenir de la planète face au changement climatique. 196 délégations se sont retrouvées ici à Marrakech du 7 au 18 novembre pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de Paris obtenu l'année dernière lors de la COP21 et ratifié aujourd'hui par plus de 100 pays. Pour analyser ces questions, Gildas Nabeza de Radio Ndekeluka est avec nous. Il est de la Centrafrique de Studio Hirondelle Guinée, Alassane Kozi de Studio Kalangu au Niger et Eric de la RTB au Burkina. Je suis Mohamed Touré de Studio Tamani au Mali pour vous présenter ce débat. Alors nous allons commencer par euh, les acquis et les avancées de ces 15 jours de négociations avec euh, le président du groupe Afrique, euh, M. Seyni Nafo. L'Afrique avait trois objectifs en arrivant à Marrakech. Le premier, poser les fondements techniques de l'accord de Paris c'est-à-dire avoir une feuille de route sur tout le travail technique qu'il y a à faire dans les deux prochaines années, ça c'est réglé. Euh, le deuxième objectif, c'était euh, accélérer l'action et les initiatives. On a eu de très bons résultats. Comme par exemple euh, l'Union européenne qui a accepté d'au moins doubler sa contribution sur l'initiative africaine sur les énergies renouvelables ou la France qui a fait une contribution de 6 millions d'euros à l'unité de gestion du projet, comme le lancement d'autres initiatives sur l'agriculture, sur les océans, sur le renforcement de capacités, sur euh, euh, la mise en œuvre d'autres initiatives. Donc ça, c'est bien. Troisième point, troisième point, c'est celui-là qui est le plus important, c'est celui-là qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est euh, d'assurer une augmentation significative du financement pour l'adaptation, et notamment le fonds dédié pour cette thématique-là, donc le fonds d'adaptation. C'est les, deux points qui sont en négociation. Et euh, on va, voilà, c'est-à-dire qu'on va savoir euh, d'ici la fin de la journée si Marrakech a été un succès total ou un succès euh, relatif. L'adaptation, quand même, c'est la priorité des priorités. toutes ces initiatives qui ont été annoncées ne pourront pas être mises en œuvre de manière satisfaisante si on n'assure pas un niveau de financement qui soit euh, en conséquence, qui soit conséquent. Euh, donc la question de l'adéquation des finances se pose. Donc aujourd'hui, c'est la, la, grande négociation qui se, qui se passe. Euh, les textes sont là, et, les ministres sont là. Il faut que l'Afrique soit claire. Il faut que l'Afrique affiche à la tête du monde qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est unie et que cette question-là n'est pas une question qu'on peut qu'on peut diluer. Il faut que le résultat soit à la hauteur de, des aspirations légitimes des Africains. Donc, euh, et oui, euh, le Maroc euh, prend un rôle de, leader. Ils, ils, ont un rôle de leader sur un certain nombre de thématiques, notamment sur les énergies renouvelables et le solaire thermique. Donc, c'est vrai, c'est vrai qu'avec l'organisation de cette COP, il y a une consolidation de ce leadership. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que il faut, il faut plus de leaders, il faut plus de leaders. Euh, et donc, euh, plus on est autour d'une table, euh, plus voilà. Donc, moi, je suis très heureux que Sa Majesté ait invité les chefs d'État africains parce que ça permet de maintenir la thématique au niveau le plus élevé. Donc il faut remercier Sa Majesté pour avoir fait ça. Juste après cette intervention de M. Nafo qui est le président du groupe Afrique, euh, M. Eric euh, Ouedraogo, vous avez suivi ces négociations pendant 15 jours ici à Marrakech. Selon vous, selon vous quels sont les acquis et les avancées de ces, de ces négociations Oui, les acquis, tout le monde en venant ici à Marrakech euh, disait que Marrakech, c'est la COP de l'action. Alors la COP de l'action, c'est la COP de mise en œuvre de tout ce qui avait été décidé à Paris lors de la COP 21. Alors, comme acquis, on peut parler en tout cas de la simplification d'accès au financement, voilà, pour le fonds vert. Les pays africains surtout trouvaient que l'accès au fonds vert posait problème. Alors ici à Marrakech, ils ont eu gain de cause. L'accès au financement du fonds vert est devenu une simplicité pour eux. Alors, euh, c'était compliqué comment C'était compliqué parce que et pour avoir euh, le fond vert, pour monter le dossier, il y avait en tout cas des, des, des, choses que l'on demandait et qui ne permettraient pas aux pays euh, africains d'accéder à ce fonds. Et ça veut dire le dossier était complexe. Donc les procédures étaient compliquées. Et en plus de cela, Monsieur Eric je pense que aussi il y avait euh, le fait que les entités nationales ne sont pas encore accréditées. Exactement, les entités nationales ne sont pas encore accréditées et cela aussi pose un problème. Voilà. Maintenant, à Marrakech, euh, ici, on pense que voilà, ça ne ça, devrait plus être le cas. Voilà, ça, ça peut être considéré aussi comme euh, quelque chose de plus qu'on a pu, en tout cas, entrer en, possession pour pouvoir vraiment aller mieux dans cette lutte contre les effets des changements climatiques. Alors par rapport euh, au processus d'accréditation des entités nationales, je crois qu'il est en cours parce que notamment au Mali, il y a l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales qui doit être euh, accréditée. Le processus est en cours. Nous allons passer la parole à Monsieur Gildas Nabeza. Vous êtes envoyé spécial de Radio Ndekeluka de la République centrafricaine ici à la COP22. Comme Monsieur Eric Wedraogo, vous avez aussi suivi les négociations. Alors selon vous, quels sont les acquis et les négociations et les, avancées Merci Mouamadou Touré, merci à tous les auditeurs. Comme euh, tous les pays africains, la République centrafricaine, dans les négociations à Marrakech, a fait un bloc avec euh, le groupe Afrique. Elle est aussi membre euh, du groupe G77 qui réunit les pays les plus pauvres. Les priorités que le pays la République centrafricaine euh, a eu à décrocher à travers euh, ces négociations. C'est aussi dans le cadre de sa contribution euh, déterminée et nationale. Donc la Russie africaine a présenté une contribution déterminée nationale qui tourne autour euh, de l'atténuation des gaz à effet de serre. C'est de demander aux pays pollueurs de respecter leurs engagements afin de faciliter le transfert de la promotion des énergies renouvelables. Ensuite, l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques qui prend en compte l'ajustement du cadre politique, l'amélioration de la connaissance de la résilience au changements climatique, gestion durable des systèmes agro-silvopastoraux. Ce qui est à, noter et qui se présente comme euh, une crainte pour moi, Mohamedou, euh, c'est que tout se passe bien et que si cet accord euh, a un, si cette négociation se, a, se trouve un accord de principe, ça sera difficile pour la République centrafricaine pour de simples raisons qu'il se pose un problème de compétence qui est là. Donc il fallait que le pays cherche à for me des gens qui peuvent avoir des compétences pour chercher à drainer euh, ce fonds du, du climat vert. Ok. Alors vous dites que tout se passe bien, mais je ne pense pas être d'accord avec vous par rapport à ce point, parce que jusqu'à présent, il y a des blocages. Il y avait trois objectifs par rapport à, ce, à ces négociations. Il y a des acquis par rapport à, aux deux premiers euh, objectifs, mais le troisième, objectif, euh, le troisième objectif qui concerne les engagements financiers, jusqu'à présent, il y a des blocages par rapport à ces engagements parce que les pays euh, avancés ont proposé des choses. On va en revenir euh, par rapport à la deuxième partie pour ne pas euh, marcher sur les pieds. on, va donner la parole à Kadjatou Ba. Vous représentez un média guinéen qui est Studio Hirondelle Guinée. Vous avez suivi les négociations pendant 15 jours. Selon vous, quels ont été les acquis et les avancées, notamment en particulier pour la Guinée Bonjour aux auditeurs et merci Mouamoudou Touré de me passer la parole. C'est vrai, on a suivi la COP 22 pendant 15 jours et dès le début, ce que je peux dire, qu'on a vu un continent africain engagé, mobilisé et surtout organisé pour obtenir euh, des actions concrètes pour la mise en œuvre de ces projets d'adaptation et d'atténuation. Et aujourd'hui, on n'a pas des acquis vraiment nombreux, mais quand même, on peut dire qu'on a quelque chose de concret, car l'accord car la COP 22 de Marrakech a comme euh, acquis l'avancée, a comme euh, acquis l'intention des pays industrialisés de simplifier l'accès aux fonds d'adaptation et aussi un doublement de la contribution actuelle qui passe maintenant de 10 à 20 milliards, à 20 milliards de dollars euh, par an. Ça, c'est un acquis, mais toujours il y a un problème à ce niveau, c'est que euh, il y a les pays développés qui ont justement proposé de, multiplier cela. Il y a d'autres pays qui ont proposé d'autres, euh, d'autres, d'autres, ont fait d'autres engagements par rapport toujours aux questions financières. Mais jusqu'à présent, il y a les pays africains qui demandent que ce soit plutôt des décisions. Nous allons toujours en revenir euh, au niveau de la deuxième partie. Alors vous, Monsieur Alassane Kozi, vous représentez le Niger, le studio Kalango. Quelles sont les avancées de ces négociations de la COP22 selon vous Merci beaucoup euh, Mamadou Touré. Effectivement, nous avons tous suivi ensemble euh, ces négociations de la COP 22, appelée d'ailleurs la COP de l'action, après la COP euh, de Paris. Donc, comme acquis, effectivement, cette, cette COP 22 a, eu des effets positifs Notamment, moi, la question qui m'a particulièrement euh, intéressé durant ces séjour, c'est notamment la question du genre. C'est une question qui a été euh, négligée durant la COP. Euh, c'est une, question, je disais, c'est une question qui n'a pas été totalement prise en compte par l'accord de Paris, mais vu l'engagement des, des, acteurs de la société civile, des, associations féminines, cette question a réussi à s'intégrer dans, dans le débat, a réussi à, mobiliser les gens. Et je crois que dernièrement, tout récemment, il y a eu des décisions qui ont été prises à ce sujet. Notamment, il y a eu euh, la, la reconduction du programme d'action de Lima sur le genre d'ici euh, janvier 2017 au plus tard. Donc tous les États partis ont accepté qu'ils vont prendre en compte cette question pour intégrer cette dimension genre de sorte que la femme puisse avoir sa place dans les réponses à apporter face au changement climatique. Ça, c'est un des acquis fondamentaux parce que cela n'a pas été pris en compte euh, dans l'accord de Paris et, mais donc euh, cette euh, COP22 a permis aux gens de revenir, de poser les débats et de, pouvoir intégrer cette question. Et il a été décidé toujours dans ce cadre de la, création de coordination, nationaux, euh, de coordination nationale dans tous les pays qui va se charger des questions genre et climat. Et entre autres aussi, il a été décidé de, de, de, le renforcement de capacité des différentes délégations pour que ces gens puissent intégrer dans toutes leurs leur décisions, leur participation à ces grands forats, qu'ils puissent intégrer euh, cette question et donner la parole à la femme et hisser la femme aussi au niveau des instances euh, de décision. Et deuxième, euh, deuxième aspect que je voudrais également noter comme acquis, c'est que tous les pays en voie de développement euh, D'abord, je vais dire, le fonds vert avait noté le fait que il, y a un fonds déjà qui est là disponible, quelques 9 milliards, mais ces fonds jusqu'à présent n'arrivent pas à être mobilisés, à être investis là où il le faut parce que il manque de projets concrets, de projets bancables pour pouvoir investir. Et à ce niveau, il y a eu l'acquis qu'il y a eu, c'est qu'il faut faciliter le renforcement de capacités euh, aux pays africains. Et là, le Fonds vert s'engage s'engage à hauteur de 3 millions pour participer euh, au, renforcement des capacités des, pays en voie de développement pour pouvoir ficeler des, des projets à même d'être financés. Oui. Par rapport à ce niveau, il y a les pays qui, euh, le groupe Afrique qui a réagi en réponse par rapport à cette question qui est d'avoir des projets concrets pour bénéficier de ces financements. C'est que maintenant, les pays se sont engagés, ils ont même proposé des projets. Il y a des projets qui ont été financés, sauf qu'il faudrait qu'ils aient un accompagnement. Ils ont, comme Eric euh, Wedraogo l'a dit tout de suite, c'est que l'accès n'était pas facile et lors de cette COP22, je crois que les discussions ont porté également sur la facilité d'accès à ces fonds et ça a été en quelque sorte un acquis. Alors, Mme monsieur, euh, Madame Kadiatouba, vous demandez la parole pour réagir par rapport à Oui, justement pour revenir aux acquis qu'a obtenu mon pays, la Guinée. en tant que pays en voie de développement et membre du groupe euh, Afrique et du G77, son souci était comment concrétiser ces projets d'adaptation et d'atténuation pour réduire les impacts du changement climatique dans le pays. Donc, à ce sommet international sur le climat, le pays a pu obtenir environ 1 million de dollars de la part de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour la réalisation de trois projets pilotes qui sont l'aménagement des points d'eau pour les populations rurales, et pour aussi la promotion de l'agriculture euh, dite intelligente qui consiste, selon les agronomes, à faire des cultures sans pour autant, détruire le sol. Il y a aussi un projet sur sur le reboisement des berges du fleuve Sénégal qui vont toucher non seulement les préfectures que ce fleuve traverse, mais aussi d'autres régions. C'est le cas de la préfecture de Gawal, de Pita et ainsi de suite. Alors, euh, le deuxième acquis pour euh, la Guinée, c'est d'obtenir aussi un financement de 3 millions pour un programme national d'adaptation qui vise à faire d'abord une étude de faisabilité des projets d'adaptation et d'atténuation avant de les réaliser. Le troisième acquis, surtout pour la Guinée aussi, c'est l'engagement de l'Union européenne à financer les cinq euh, les 5 gigawatts d'énergie renouvelable. 5 euh, oui, 5 gigawatts, donc ce qui revient à 5000 euh, euh, mégawatts d'énergie. Alors, on ne pourra pas citer tous les acquis, ça c'est sûr. Nous allons donner la parole à Gildas. Concrètement, pas sur les engagements financiers, on en a beaucoup parlé. Est-ce que, cette concernant les, transferts, les transferts de technologie, quels sont les acquis Bien sûr, Mohamedou, là, je peux noter que côté République centrafricaine, il y a deux acquis ont été enregistrés au cours de ces pourparlers. Premièrement, l'accès aux fonds vert qui devrait être simplifié, le circuit de soumission à travers des entités nationales accréditées, chapeautées par les grands bailleurs de fonds était en effet je, crois que concernant les engagements financiers, on en a déjà parlé, l'accès, la facilité, l'accès, on en a déjà parlé. Alors nous allons donner le... Effectivement, je vais compléter, il y a aussi euh, euh, un, point fort pour la Bus centrafricaine. Au cours de ces pourparlers, le pays a eu a signé un accord de partenariat pour euh, la mise en place d'un système de renforcement concernant l'agriculture. Il y a aussi la mise en place du fond bleu qui concerne les, pays du bassin du Congo, qui concerne aussi la République centrafricaine. Donc, euh, en tout cas, c'est c'est un acquis pour le pays. Tout à fait. Alors nous allons revenir sur euh, ces initiatives comme l'agriculture dans la troisième partie de ce débat avec les, initiatives, les innovations et tout. Alors euh, nous venons de parler des acquis lors de cette COP22, mais euh, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas que des acquis, il y a aussi des blocages, notamment concernant les engagements financiers. Alors nous allons donner maintenant, passer la parole à Monsieur Modibo Sako qui est le point focal du Mali, qui va nous parler un peu des contraintes et des blocages concernant euh, cette COP22 En résumé, vous savez, euh, quand on dit que Marrakech était la COP de l'action, parce qu'on avait voulu qu'à Marrakech définir toutes les lignes directrices pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Des missions avaient été assignées à l'APA et à la CEMA. Bon, ça c'est le comité de Paris et puis euh, la première conférence des parties de l'accord de Paris, moi. Donc, il devrait ici non seulement présenter les thèmes de référence qui devraient être amendés et voir si toutes les préoccupations étaient prises en compte pour continuer à, travailler et mettre en œuvre. Et le comité, le SUPSA, le supsa devrait aussi travailler sur la faisabilité de 1.5. Donc tout ce travail-là devrait être présenté, amendé, etc. à, Marrakech. Parce que ceci devrait travailler sur le long terme jusqu'en 2020. Alors qu'est-ce qui se passe Entre-temps, entre toute attente, l'accord est rentré en vigueur le 4. L'ouverture, c'était le 7. Donc ce qui fait que le travail était, devenait difficile parce que l'accord dit que la CEMA tient sa première conférence des partis dès que l'accord est ratifié donc, dès que les deux conditionnalités sont remplies. Et quand l'accord rentre, euh, la CEMA tient sa première conférence, euh, le comité de Paris il disparaît. Or, le comité de Paris n'avait pas encore commencé, je dirais, son travail à plus forte raison euh, le finaliser. Le comité de Paris devrait préparer même des décisions qui devraient être adoptées par la première conférence de l'accord de Paris. Alors, l'entrée en vigueur étant effective, la CEMA doit se tenir. Et nous avons dit depuis Paris que cet accord doit être inclusif. Donc on doit faire participer tout le monde. Vous l'avez constaté, plus tard qu'hier seulement, il y avait 110 pays partis qui ont ratifié la Convention sur 194 euh, euh, pays partis. Donc, en tenant la CEMA, en adoptant les décisions. Ça veut dire que nous allons exclure plus de 80 pays. Donc la discussion aussi était un peu à ce niveau, donc des discussions qui n'étaient pas prévues à Marrakech, rentrent en jeu. D'autant, certains disent qu'il faut coûte que coûte tenir la, la CEMA, conformément au texte. Or, nous voulons vraiment un accord inclusif. Donc, on souhaitait, par exemple, que euh, de suspendre euh, la tenue de la CEMA et afin, que, euh, afin de donner le temps aux autres pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord d'aller à la ratification. Parce que cela faisait partie du mandat du comité de Paris qui devrait travailler, faire en sorte que tous les pays ratifient l'accord. Donc euh, on se retrouve euh, dans une situation où si on tient la première conférence de l'accord de Paris, ce comité de Paris doit disparaître conformément au texte. Voilà un peu de difficultés. Alors, des propositions ont été faites. On dit qu'il faut soit ouvrir la première conférence, ensuite la suspendre pendant deux ans, donc attendre 2018 pour tenir la première conférence. Et, pour eux, ça va permettre au comité de Paris de continuer son mandat euh, jusqu'en 2018. Et, comme cela, en 2018, le rapport euh, de CIPSA aussi doit apparaître pour montrer scientifiquement qu'il est possible d'aller à 1,5. Donc on suppose que euh, d'ici là, tous les pays seront, auront ratifié l'accord et le, rapport scientifique pour les 1.5 sera disponible. Et entre-temps, euh, vous avez vu, on a mis euh, l'Allemagne va s'engager à, renforcer un peu les capacités des, pays dans la mise dans euh, la finalisation, je dirais, de leur euh, CDN pour transformer, traduire les CDN en, programme projet. Bon, blocage, en fait, euh, c'est des avis divergents. Nous avons voulu que le financement de l'adaptation soit égal à, celui de, de l'atténuation, 50-50 on est à 64% pour l'atténuation en termes de financement et pour l'adaptation, on est à peu près à 16%. Les discussions sont à ces niveaux. Il y a aussi au niveau de, du fonds d'adaptation. Dans l'accord de Paris, il est mentionné dans l'accord de Paris que le fonds d'adaptation pourrait servir le fonds climat en termes de financement, financement euh, pour l'adaptation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il se pourrait aussi que ce fonds soit dissous et ne pas servir le fonds vert. Et c'est pourquoi nous, pays en développement, pays vulnérable, nous souhaitons qu'à Marrakech, qu'il y ait une décision qui dira que le fonds d'adaptation va servir le fonds climat. C'est des jeux de mots, mais nous, nous voulons avoir des, des précisions, des mots concrets qui vont être consignés dans une décision adoptée à Marrakech. Donc c'est un peu ça, les discussions sont à ce niveau. Pour qu'il y ait une décision pour matérialiser tout cela, il faut que le principe soit acquis d'abord, parce que c'est les mêmes bailleurs qui se retrouvent au fond vers le climat. Donc s'ils ne sont pas aujourd'hui disposés à mettre, moi je ne dirais même pas mettre de l'argent dans le fonds d'adaptation. Parce qu'en en fait, le fonds d'adaptation, c'est pas comme euh, le fonds vert. Vous voyez, ça c'est les ressources de 2% sur la vente de carbone. Or aujourd'hui, le prix du carbone a baissé, et insignifiant aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds conséquents pour euh, financer euh, ces projets d'adaptation. Donc chaque année, ils sont obligés de faire des quêtes auprès des autres bailleurs pour mettre à disposition un peu d'argent et permettre de financer euh, ce volet. Mais si on veut maintenant institutionnaliser ça, c'est ça un peu le, hic entre nous et les pays censés mettre de l'argent dans ce fonds. Encore, nous revenons avec euh, nos invités. Je rappelle qu'ils sont tous journalistes qui ont suivi la COP22 pendant 15 jours ici à Marrakech. Alors donc, ils savent beaucoup, euh, même s'ils ne sont pas des spécialistes, ils ont beaucoup suivi. Nous allons donner la parole à, au Burkinabé, M. Eric Ouedraogo. Alors, concernant toutes ces contraintes et ces, blocages que euh, le point focal vient de citer, Maurice Osako, qu'est-ce que vous avez retenu, vous Oui, les points de blocage l'accès au financement reste toujours un point de blocage. Parce que pour avoir accès au financement, il faut qu'il y ait les mécanismes. Et il faut que ces mécanismes soient, permettent en tout cas aux pays africains voilà, d'avoir accès justement facilement à, ces financements-là. Mais quand vous dites par exemple euh, l'approvisionnement du fonds vert, voilà, ça, également ça pose un problème. Les pays africains demandent que ce soit un fonds permanent. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit sous des effets d'annonce que chaque pays dit voilà, je, je, donne tel nombre de, milliards. Voilà, chaque pays annonce euh, sa contribution. Mais au finish, à l'avenir, est-ce que ce fonds reste permanent ou non Mais c'est ça le problème. Les pays africains demandent à ce que ce soit ce montant soit permanent afin qu'ils puissent continuellement voilà, et bénéficier de tout ce qui est mis dedans pour pouvoir, euh, en tout cas, euh, l'utiliser à bon escient. Le point focal l'a dit, euh, ils veulent au fait 50% au niveau du fonds de l'atténuation et 50% pour l'adaptation. Et à ce jour, il y a 64% qui sont alloués à l'atténuation et 16% seulement sont pour l'adaptation. Et ça veut dire que le reste, ça, ça va être tiré par euh, les autres choses qui vont concerner toujours les questions de, environnementales. Maintenant, euh, concernant toujours euh, ce point, le point focal l'a dit tout de suite. Euh, vous l'avez vu qu'il il y avait des choses qui n'étaient pas prévues euh, lors de la COP22 qui sont venus. Par exemple, vous avez euh, entendu avec moi il y a eu euh, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a eu cette décision, les pays étaient en train de discuter. Est-ce qu'il faut tenir la première réunion de la comité de, de la mise en place de l'accord de Paris ou pas Alors, qu'est-ce que concrètement, est-ce que cette discussion, qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous Non, en un mot, je dirais tout simplement que la mise en œuvre, ou si vous voulez, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris a chamboulé la rencontre de Marrakech. C'est une surprise. Personne ne s'attendait en venant à Marrakech que l'accord de Paris entre en vigueur. Et maintenant, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, il faut continuer les négociations, il faut continuer les discussions. On ne peut pas dire, voilà, c'est une surprise. Raison pour laquelle ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent en tenant la rencontre, parce que l'accord de Paris prévoit qu'une fois que cet accord est mis en œuvre, toutes les instances devraient être mises à côté et maintenant passer à une autre étape. Alors que tout s'est déroulé ici à Marrakech. Donc il fallait trouver une formule pour simplifier un peu les choses, pour pouvoir continuer quand même les débats. Voilà, donc euh, on peut dire l'accord de Paris et en vigueur, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça touche tout chamboulé au niveau de Marrakech. Comme le point focal vient de le dire, il y a eu beaucoup de blocages, il est déjà cité, on ne va pas revenir sur tout cela. Est-ce que vous, M. Gildas Nabeza, qui représentez la Centrafrique, la radio Nikeluka, est-ce que vous avez constaté d'autres points de blocage euh, lors de ces 15 jours de négociation Parce qu'on devait avoir euh, les conclusions d'abord euh, mercredi, après on les a attendues jeudi, on les a encore attendues ce vendredi et jusqu'à présent on n'a pas quelque chose, même si on attend les conclusions en fin de journée. Effectivement, ça, veut dire que l'accord de principe euh, pose problème pour le moment. Quel accord Concernant euh, l'accord de Paris. Donc euh, là, toutes les parties prenantes jusqu'à présent ne sont pas tombées d'accord pour essayer de trouver une solution par rapport à la mise en route de cet accord de Paris. Et ce qui est là, ce qui pose aussi problème, c'est la mobilisation des fonds. Au lieu de 100 milliards de de dollars. Maintenant, on est revenu à 10 à 20 milliards, ce qui pose un problème et ça va traîner la mise en route de, l'accord de Paris. Hmm. Alors, c'est ce euh, que moi je constate. Ok. Je pense que euh, c'est pas qu'on a quitté 100 milliards pour venir à 10 à 20 milliards, mais il se trouve que sur les 100 milliards qui étaient prévus jusqu'en 2020, on a 10% et ce qui fait 10 milliards. Maintenant, il y a le fonds d'adaptation qui est différent du fonds vert climat. Madame Kadiatouba, vous représentez la Guinée. Quels sont les autres points de blocage que vous avez constatés lors de ces 15 jours de négociation Bon, en plus, euh, de la disponibilité du fonds vert, l'accès, le, point de blocage qui se situe au niveau de la disponibilité des financements. Il y a aussi le problème de transfert des, techniques eh, des, technologies. des technologies et des compétences. Aujourd'hui, les pays africains ont besoin de technologies pour s'adapter aux effets du changement climatique. Mais jusque-là, si nous prenons les financements, c'est comme s'il y a euh, une, répartition inégale entre les pays. Il y a de ces pays qui ont accès au fonds vert, il y a d'autres qui n'ont pas accès au fonds vert. Alors, Monsieur Alassane euh, Kozi, vous représentez le Niger. Vous, vous avez constaté d'autres points de blocage différents de ceux qui ont été cités par euh, vos collègues Je pense que ce n'est pas si différent que les autres le point de blocage principal se trouve toujours au niveau des finances, le financement, comment mobiliser le fonds nécessaire pour le financement de l'adaptation, comment pérenniser ces fonds de l'adaptation. Alors les pays en voie de développement, notamment le groupe Afrique, eux, leur souci, c'est de pouvoir mobiliser assez de fonds nécessaires pour faire face aux, effets négatifs du changement climatique parce que c'est le, pays le, le plus qui est touché. Et les pays en voie de développement, eux, veulent arrimer, ils veulent arrimer le. C'est-à-dire, ils veulent mettre les deux fonds, le fonds vert, climat, et le fonds de l'adaptation. Ce qui aura pour conséquence la disparition de ce fonds, euh, de ce fonds euh, déjà de ce fonds d'adaptation qui est déjà pas euh, grand chose vous l'avez dit, euh, ça ne constitue que 16%, alors que les pays en voie de développement se battent et ils, veulent arriver à même une parité entre le fonds, le fonds euh, qui doit être destiné à l'atténuation des gaz à effet de, serre et les fonds euh, nécessaires à l'adaptation. Donc le point principal de, blocage, c'est surtout ce point. Et autre chose, c'est que les pays, les pays industrialisés, les pays développés, eux, ils s'engagent à, financer l'adaptation, mais ils ne veulent pas donner des chiffres, ils ne veulent pas donner des objectifs chiffrés. C'est ah. que les pays en développement contestent parce qu'ils veulent pour pouvoir suivre l'engagement des uns et des autres, il faut donner des objectifs précis, des, objectifs chiffrés. Alors, Monsieur Alassane, nous sommes tous, sommes tous d'accord que le, principal point de blocage se trouve au niveau des questions financières et euh, notamment euh, le fonds d'adaptation. Alors, les pays industrialisés n'ont pas refusé. Il ne s'agit pas tout simplement de savoir comment est-ce qu'on va financer parce qu'on le sait déjà. Le problème se trouve à quel niveau C'est que les pays développés ont déjà dit on va faire, euh, on va donner ces montants, mais les pays en voie de développement veulent que ce soit des décisions qui vont être euh, insérées dans l'accord, dans un document. Alors euh, nous avons entamé, nous allons entamer cette troisième partie de ce débat. Je vous rappelle que c'est réalisé toujours par la Fondation Hirondelle et ce sont cinq journalistes qui ont suivi toute la COP 22 pendant 15 jours ici à Marrakech. Vous avez vu les informations sur notre site web hirondellecop22.org pendant 15 jours. Alors ce sont des, journalistes qui sont devenus en quelque sorte des spécialistes pour vous parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté pendant ces 15 jours comme avancée, comme blocage et comme innovation par rapport à ces négociations. Et parlant d'innovation, nous allons donner la parole à Monsieur Zakara qui est également un spécialiste de la société civile concernant les innovations. Il va nous parler de ce qu'il a constaté. Est-ce que les innovations qui ont été présentées ici à la COP22 répondent aux besoins de l'Afrique pour réellement lutter contre le changement climatique, il faut un transfert des compétences, un transfert aussi des technologies aussi vers les pays aussi qui sont en voie de développement. C'est transfert des technologies qui t'aide à revenir. Par exemple, les questions de l'énergie. Lorsque on va développer certains panneaux solaires qui sont très adaptés à nos zones et puis qui sont facilement modulables, au niveau de nos pays, on peut créer des petites unités aussi pour le montage de ces modules euh, photovoltaïques, de aussi former aussi certains de de nos techniciens pour qu'ils puissent euh, savoir comment on fait le montage comment assurer aussi la maintenance de tous ces de technologiques. technologies. Aujourd'hui, dans nos États, nous avons une faible capacité des personnes qui ont l'accès à l'énergie. Nous pensons que c'est ce genre de technologie réellement qu'on a besoin. Il y a beaucoup d'initiatives, oui, par rapport aux panneaux solaires que nous avons pu visiter et nous pensons qu'ils sont, ils sont importants. Maintenant, nous sommes à un stade juste de démonstration. Maintenant, il faut plus peut-être les diffuser aussi vers les zones qui ont réellement besoin de ces technologies. Nous avons vu aussi cette euh, expérience des voitures électriques. Je pense que c'est important pour certains pays qui sont développés qui sont industrialisés. Pour nous, nous ne sommes pas à l'ordre du jour de ces, de voitures électriques. Mais c'est important aussi que chez nous, aussi, ceux qui sont plus aisés peuvent aussi faire recours à ces voitures électriques. Puis nous avons un peu visité aussi les différentes stands de ce qu'on appelle la zone verte et nous avons vu un certain nombre d'initiatives aussi qui permettent aussi un échange d'expérience avec d'autres communautés qui viennent de différentes euh, localités. Une initiative qui vient du Burkina où le monsieur qui permet d'organiser les éleveurs autour d'une petite unité de production de lait et il essaie de faire la collecte et puis envoyer ça au niveau d'une unité centrale qui se trouve aussi dans le centre urbain. Donc je pense que c'est une petite initiative qui, si on parle en profondeur, elle est très importante parce que dans nos pays, la plupart de nos populations sont soit agriculteurs ou bien éleveurs et nous avons besoin beaucoup de ça, d'initiatives, initiatives, comment essayer de faire la conservation de certaines productions, comment aussi assurer aussi une chaîne de valeur de toutes ces productions que nos communautés aussi font parce que tout ce qu'on produit au niveau local, c'est des produits qui sont bio, comme on dit, qui ne sont pas toxiques, qui contribuent aussi à accroître la résilience de ces communautés et aussi à booster une certaine économie aussi euh, locale. Nous avons aussi vu une initiative aussi par rapport au Kenya qui est aussi importante où on forme des champs sur la production des plants, comment faire une pépinière. Ici on a vu euh, beaucoup des innovations qui sont qui sont très importantes comme l'initiative sur les énergies renouvelables, l'initiative sur la réputation et une initiative euh, purement marocaine, triple A. Et l'ensemble des initiatives, nous pensons qu'elles sont très importantes pour pour l'Afrique, d'abord qui est un continent très vulnérable par rapport aux effets de des changements climatiques surtout notre zone aussi au, au Sahel les innovations technologiques pourraient répondre aux besoins des populations. Toutefois, nous sommes regardons sur les sources d'énergie qui pourraient alimenter ces innovations technologiques-là, car euh, il ne faudrait pas que le déploiement de ces innovations technologiques-là nuise au climat. Il y a eu plusieurs initiatives hein, qui ont été annoncées au cours de cette COP, notamment euh, l'initiative africaine sur euh, les énergies renouvelables, qui pourrait répondre aux besoins des communautés africaines en favorisant l'accès aux sources d'énergie qui sont euh, importants vu l'impact négatif que euh, l'utilisation classique de l'énergie, des sources d'énergie classiques, notamment le fossile ou euh, le, la biomasse, a sur la santé des communautés un point essentiel euh, sur les innovations technologiques. Il faut que ces innovations répondent aux besoins spécifiques des communautés pour lesquelles euh, ils sont réalisés. Pour l'Afrique, nous pensons que ces innovations devraient euh, permettre d'aider à satisfaire les besoins, énergétiques des communautés africaines qui, pour la plus grande majorité, n'ont pas accès aux, sources d'énergie primaires. Une initiative a été annoncée ici à la COP22, qui est l'initiative TRIP A. Alors nous, en tant que société civile, nous émettons quelques réserves concernant cette initiative car beaucoup de choses restent encore à être éclaircies, notamment sur les technologies que cette initiative pourrait déployer. Et euh, nous craignons que cette initiative-là ne vienne exacerber euh, des problèmes déjà euh, liés à l'agriculture. Eric Ouedraogo, voici M. Zakara a parlé de plusieurs innovations. Il a parlé des voitures électriques, 100% électriques. selon lui, ce n'est pas des voitures qu'il faut pour Il a parlé des voitures électriques, il a parlé de l'initiative euh, triple A, 3A, qui est considérée pour certains comme une bonne initiative, mais certains ont émis des réserves comme le, réseau climat. Alors vous, par rapport à ces innovations, après 15 jours, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout cela Il faut dire qu'au niveau de la COP22 à Marrakech, il y a vraiment des innovations. Nous avons parcouru le stand des innovations. On a vu qu'à partir même euh, voilà, du plastique, certains arrivent à produire des hydrocarbures. Et ça, c'est très bien, parce que ça permet de valoriser justement euh, ces plastiques-là. Rien n'est jeté au hasard, tout est récupéré et transformé en hydrocarbures. Mais vous savez que les hydrocarbures, ce n'est pas ça vraiment l'idéal. Vous avez parlé tout à l'heure de voitures électriques. Tout le monde je peux dire que ça pourrait être peut-être l'une des, principales solutions voilà, la pollution. Voilà, si tout le monde pouvait avoir un agent électrique, euh, c'est la solution. Surtout en Afrique où on a vraiment le soleil. Voilà, ça, c'est vraiment euh, mais est-ce que tout le monde aura les moyens d'acheter une Justement, voiture Justement, le problème c'est ça. On nous fait des innovations, mais qui ne sont pas accessibles aux populations. Il faudrait que les pays développés qui ont l'expertise nécessaire, qui arrivent à mettre en place toutes ces innovations-là, qu'en le mettant en place également, qu'on pense au coût. Et ce coût-là, c'est surtout pour nous, Africains. Nous n'avons pas les moyens pour acquérir toutes ces innovations. Donc il ne suffit pas d'innover et maintenant l'innovation, personne ne peut euh, se l'acheter. Ça, ça pose un problème. Donc c'est bien d'innover, mais en innovant, il faut penser également au coût pour permettre à tout le monde de l'acquérir. Et comme ça, ça pourrait vraiment continuer à lutter contre les effets des changements euh, climatiques. Sinon, toute innovation est la bienvenue. Le problème, à mon niveau, c'est le coût. Euh, je, pour appuyer ce que vous venez de dire tout de suite, Monsieur Widraogo, c'est que ceux qui arrivent à transformer les plastiques en hydrocarbures ont même déjà eu un prix. Mais ce que j'ai à dire par rapport à tout cela, c'est que ce sont des démonstrations qui sont montrées ici à la COP22 à Marrakech. Est-ce que est-ce que les fonds ont été obtenus Est-ce que ces démonstrations peuvent vraiment se réaliser concrètement dans nos différents pays La question est adressée à vous, M. Gildas euh, Nabeza de la Centrafrique. Oui, merci beaucoup, Mamadou Touré. Tout à fait, il y a eu des innovations, des innovations qui peuvent euh, contribuer au développement de la ville centrafricaine. Je prends euh, l'initiative des chefs d'État qui se sont regroupés lors de leur sommet et qui ont mis en place quelques commissions, commissions qui concernent les pays du Sahel, concernant le lac Tchad, des commissions concernant euh, le bassin du Congo, des commissions concernant des pays insulaires. Je prends l'exemple euh, du bassin du Congo qui concerne euh, la République centrafricaine, des fonds qui seront alloués à l'amélioration de ce bassin va permettre à la Russie centrafricaine de, créer hein, des, activités qui vont freiner. Euh, par, rapport aux, innovations, technologiques. Aux innovations technologiques, moi je vois que la COP 22, euh, qui devait être une COP de l'action, moi je, la trouve. Qui euh, devait, elle ne l'est pas Non, moi je la trouve une COP d'innovation parce que j'ai vu beaucoup d'innovations. Ça revient à la, dire que c'est une COP de l'action alors Oui. Merci. Alors, euh, je vais... S'il te plaît, il y a aussi euh, ces histoires de transformation des déchets en, lubrifiant. Moi, je, trouve que c'est une initiative, mais ça ne contribue pas à la lutte contre le changement climatique. Ok. Alors, euh, la même question sera adressée à Kadja Touba de Studio Hirondelle Guinée. Merci de me passer la parole une nouvelle fois. Bon, nous avons vu que la COP 22 a été un centre d'innovation et d'invention. Nous avons vu des voitures électriques, nous avons vu des voitures solaires et même du biomasse fait à partir des déchets ou, ou, des, fait à partir des déchets ou de, des tubercules comme euh, le manioc qu'on appelle biogel euh, au Togo. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné ici, c'est de voir euh, un produit fabriqué par une entreprise française qu'on appelle Gélo. Euh, c'est un produit qui, selon, c'est un, produit bio. Qu'on appelle Qu'on appelle Gélo. Le produit est appelé Gélo. C'est un produit bio-organique qui permet de donner au désert, qui permet de verdoyer les déserts. Selon les fabricants de ce produit, si tu mets, si tu creuses un trou au désert, tu mets se produit au sol et puis tu, tu plantes un arbre, c'est très facile que l'arbre pousse et que ça donne euh, au désert son état verdoyant. Donc Gélo est ton type d'engrais alors Non, ce n'est pas, pas un engrais en quelque sorte, mais c'est un produit organique conçu spécialement pour donner au désert l'état verdoyant qu'il avait auparavant. Ils ont même expérimenté ça dans le désert de l'Algérie et j'ai vu les images, vraiment c'est encourageant. Je pense que ça, c'est des initiatives que les pays africains doivent expérimenter pour, euh, rendre vraiment les déserts du Sahara, par exemple, un endroit où il fera bon vivre. Hmm. Alors, M. Alassane Kozi, vous êtes de Studio euh, Kalango du Niger. Vous aussi, vous avez constaté toutes ces innovations. Alors, après votre constat, pensez-vous que ces innovations sont réalisables au niveau de l'Afrique Merci beaucoup euh, Touré. Euh, je pense effectivement que toutes ces innovations sont réalisables. Il suffit tout simplement que nous ayons, je vais dire que tout le monde ait vraiment la volonté, la volonté de réaliser euh, toutes ces innovations, notamment en mettant la main dans la poche, comme on l'a dit, le financement, la mise à l'échelle nous avons vu plein, plein d'innovations, comme mes, mes, mes, confrères viennent de le rappeler, euh, des innovations allant à la transformation de déchets, des innovations dans le domaine de l'agriculture, des innovations euh, dans le domaine du transport. Nous avons vu tellement pas mal d'innovations, mais tous ces gens-là, quand vous discutez avec eux, euh, tantôt c'est le, le problème de fond pour pouvoir mettre à l'aise, pour pouvoir multiplier toutes, euh, toutes, ces innovations, pour pouvoir les mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est aussi le problème d'accessibilité. Vous l'avez souligné tout à l'heure euh, avec euh, notre collègue Aimé Ouedrago, qu'effectivement, souvent il y a des innovations, mais les gens, les uns et les autres n'ont pas la latitude de pouvoir accéder à ça. Moi, ce que je voudrais soulever comme, comme innovation, parlant de mon pays, du Niger, euh, j'ai assisté à, à, leur événement parallèle qu'ils appellent. Et là, c'est un pays qui a, qui a connu pas mal de sécheresses et qui, au fil, avant même que, que les, concepts de changement climatique euh, arrivent à être euh, mis sur le, sur le tapis, a connu plusieurs sécheresses et c'est au fil du temps euh, habitué à, à donner des réponses. Et sur le long terme, nous avons vu qu'il y a une nouvelle technique qui, est en train d'être adoptée par le pays. C'est quoi C'est cette technique qui consiste, qu'on appelle la gestion durable des terres. Cette gestion durable des terres, en quoi elle consiste Elle consiste en fait à faire revivre la terre, à donner, à donner un aspect euh, vivant à la terre. Des endroits, par exemple, qu'on croit perdus, on, on, on, il suffit, de, les, il de, faire, par exemple, la récupération de terre. Euh, Je voulais juste finir en donnant un exemple concret. Euh, la récupération de terre qui consiste, par exemple, à creuser des trous un peu sur un champ désert, à creuser des euh, trous pour permettre à ce que l'eau puisse stagner, pour que la, la verdure puisse pousser. Et euh, Kadiatouba en a déjà parlé. Eric, vous voulez juste en 30 secondes oui, je réagis par rapport aux innovations. Les innovations, ce n'est pas que de l'Occident. En Afrique, on a des chercheurs qui arrivent à mettre en place également des, produits innovants. Je prends par exemple au Burkina, on a un étudiant qui n'a même pas encore fini ses études qui a mis en place un véhicule électrique. Voilà. Mais il faut, comme je le dis, avoir toujours les moyens dans le domaine. Donc, que les pays développés puissent toujours continuer à nous appuyer aussi bien avec nos, sur nos, euh, que nos chercheurs euh, sur place puissent progresser, même au niveau de l'Europe, euh, les produits qui sont mis en place qu'on puisse aussi accéder facilement à Zakara également en a parlé. Euh, il y a eu des innovations également en Afrique et vous l'avez entendu tout de suite. Alors, euh, c'était euh, le débat qui vous a été présenté en direct de la COP 22. Et donc, nous avons essayé de faire le point après 15 jours, cinq journalistes ici présents. Il s'agissait de Aimé Eric Ouedraogo qui représente la RTB ici à la COP 22. Monsieur Gildas Nabeza, journaliste de Radio Ndeke Luka de la République centrafricaine, Kadja Touba qui est journaliste au studio Hirondelle Guinée, Alassane Kozi qui est journaliste de studio Kalangu au Niger. le débat vous a été présenté par Mohamedou Touré, journaliste de Studio Tamani au Mali. Et je rappelle que le débat a été réalisé par la Fondation Hirondelle avec Samuel Turpin et Tristan Miquel.